Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, Sur à la Fada, l'artiste s'exprime. Hey. Vous, vous rappelez certainement de Lawan Aboubakar. Nous l'avons reçu sur l'émission Tous à la Fada, version franco-aoussa, hier nous avons, sur cette émission, parlé du parcours en question du combattant. Il a monté une association, Wassan Africa. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Wassan Africa, Ladies and Gentlemen, est une fenêtre sur l'Afrique dans sa diversité, couvre à partir de l'ONAC depuis 15 ans. Le festival Wassan Africa des prestations artistiques, groupes musicaux ou troupes de théâtre du Niger, de Guinée, de la France et de toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir une fois de plus l'initiateur Aboubakar Lawan, directeur artistique de Wassan Africa. Mesdames et messieurs, tout sur Wassan Africa, c'est tout de suite et maintenant sur l'émission Tous à la Fada à la L'artiste s'exprime. Lama Boubacar. Hey, Une fois de plus, la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Merci, Donny. Wassan Africa 2005. Mm. 5. Jour pour jour, ça fait 16 ans. Si je ne me trompe pas. Tout à fait, Dondi. Parlons de Wassan Africa. Alors, Wassan Africa. Comment est-ce que l'idée de Wassan Africa alors ça va te faire rire. Comment s'appelle l'émission déjà Tous à la fada. Tous à la fada. Oui. Et si je te dis que un jour j'ai monté une fada avec euh, deux de mes amis, on a bu du thé. Comme tous à la fada. Comme tous à la fada. Donc vous étiez tous à la fada. Voilà, on était. Mais en plus, c'est même pas. C'est vrai. Euh, ah, donc, mais une fada pas à Kalangou, mais en France. En France, voilà, dans la campagne française à Lonac. Donc j'ai fait une fada, on était trois, moi, Véronique et Sylvie. Ok. Et je leur ai dit, en fait, ça fait quelques années, j'ai réfléchi, j'ai fait tous les festivals, j'ai mis des festivals. Mhm. Euh, mais je pense qu'on va faire un festival ici même à Lonac euh, et on va l'appeler Wassan Africa. Ok. C'était en avril, au mois d'avril 2005. Euh, D'accord. Et Début juillet, on a lancé le festival Wasant Africa à Alona. Début juillet 2005, avec Taifa Danche, voilà. Véronique et Sylvie. Et Sylvie, on a monté Wasan Africa. Donc tout part de la Fara. Exactement. Super. Alors, c'était en 2005. La première édition s'est passée comment alors, la première édition, comme, comme je viens de te le dire, on est parti, on a lancé l'idée en, au mois d'avril. Mois d'avril et bon, sauf que ce qu'il faut dire, j'avais le soutien de la mairie de Lonac quand même, parce que avant de lancer. Big la mairie de Lonac. avant de lancer Wassa Africa, mhm. j'étais déjà sur un autre événement dans la ville qui s'appelait le Printemps des Arts. Et pendant ce Printemps des Arts, j'avais déjà initié euh, ce que j'appelais la journée africaine. C'est-à-dire que tous les vendredis du Printemps des Arts, on organisait euh, une journée africaine avec des commerçants, un mini Wassa Africa en fait. Mhm avec des commerçants et des concerts africains le vendredi du printemps des arts. Mhm. Et donc, si tu veux, la mairie euh, était déjà au courant que j'avais cette idée de, pouvoir retirer Wassam du Printemps des Arts et lancer le festival sur trois jours. Donc la mairie, dès que j'ai dit on va faire le festival au mois d'avril, ils nous ont soutenus tout de suite. On a eu tout le matériel qu'il fallait et pour lancer le festival en 2005. 2005. Voilà. C'est-à-dire que tout est parti aussi du, soutien de, la mairie. Du, maire de l'époque, Jean Arégro, qui nous a poussé, qui nous a aidé à lancer ce festival. Une mention spéciale dans Comer. Alors, Laurent Aboubakar, est-ce qu'on peut avoir l'objectif L'objectif de ce festival, déjà Wassan Africa, mhm. déjà c'est un clin d'œil au Niger. C'est un clin d'œil à mon pays d'origine. Fraternité, travail, progrès. voilà. Donc c'était un clin d'œil au Niger. Mhm. Euh, parce qu'en fait, c'est tout simple. L'objectif, euh, moi j'ai vu dans un milieu rural. Ouais. Tu as été, tu as vu. Hein. Bien sûr. C'est Lonac, c'est un petit village. 1200 habitants, Lonac. Alors oui, Dondi, donc euh, comme je, disais, Lonac c'est vraiment un petit village, tu as mhm. été, tu as vu. donc l'idée du festival dans ce village, 1200 habitants, donc, dans ce village, l'idée c'était de dire mhm. euh, les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller en Afrique, mhm. c'était euh, un peu de leur faire découvrir l'Afrique. Parce que moi, j'ai tous les jours des gens qui me posent des questions mais chez vous, c'est comment L'Afrique, c'est comment mhm. Donc, c'était une invitation pour eux de venir pendant le festival, pendant trois jours, découvrir l'Afrique, découvrir les couleurs de l'Afrique, découvrir les goûts de l'Afrique, découvrir les senteurs de l'Afrique. Donc, c'était l'idée de, ce festival, mais toujours avec euh, ce petit, cette, euh, toujours le clin d'œil au Niger, parce que dès la première édition, il y avait des artistes du Niger tiens-toi bien, le premier artiste qui était sur la scène de Wassan Africa, tu sais qui c'est Qui c'est C'est Maman de Gondwana. Maman, l'artiste Maman de Tout Gondwana, à le président très très démocratique de, Gondwana. Voilà, c'était lui qui a, en fait, le vendredi du festival, mhm. c'était le premier artiste sur scène qui a lancé le festival. Waouh, en 2005. En 2005, voilà. Oh. Et à l'époque, il habitait juste à côté, à Montauban, une ville à côté. Donc, Maman, euh, il est venu, il a lancé le festival. Super. Après, il y a Bako qui était là, qui a aussi, avec le groupe Bakoban, lancé le festival. Voilà. C'est mon gars, Bako. En dehors de Maman et Bako, est-ce qu'on peut déjà avoir une idée des artistes nigériens qui ont défilé sur Wassan, Afrique Alors, très vite. J'aurais appris que Lawan vend la culture. Tout à fait. et donc les premiers qui sont venus en suivant 2006 déjà, il y avait les Tréteau du Niger. Tréteau du Niger. Qui sont venus des fois avec euh, vraiment du théâtre à la nigérienne. Ah à la nigérienne, le théâtre, ils sont venus en 2005 et en 2007. Mhm. Et en 2007, on a reçu le groupe Gabero. Gabero. À tout seigneur, tout honneur. Bien sûr. Gabero avec la troupe Kasei. Mhm. On a reçu Betoji qui faisait du théâtre aussi, qui est ici avec Arène Théâtre. On a reçu Betoji, on a reçu euh, le groupe ESA. Le groupe ESA. ESA, on a reçu Rabé, le groupe de Rabé, Rabé, mm-hmm. On a reçu Atrin Assouf, c'est un groupe Touareg qui, du Niger, mais qui vit en France, dans la région parisienne. Mm-hmm. On a reçu Gumbestar de Maliaro. Mm-hmm on a reçu MDM, les MDM Crew, on a reçu Kaden avec Feno, on a reçu aussi Kamikaze, Kamikaze Lima, euh, Yukon, Yukon du bloc sans oublier les entrepreneurs aussi euh, qu'on a reçu celles qui vendaient des l'encens, euh, qui fabriquaient euh, du savon, des épices. On reçoit chaque année aussi des artisans Touareg qui viennent chaque année des bijoutiers. Donc en fait, c'est vraiment le Niger en miniature pendant Ouassa Africa. 14e édition, c'était en 2019. Oui. Vous pouvez retracer quelques difficultés que vous avez rencontrées pour La petite mention, il faut dire qu'en 2019, c'était la spéciale Niger quand même. Et spéciale Niger en 2000. C'était la... Et c'était la... et c'était c'était le dernier. Hein. 19 ouais, 2019, c'était la spéciale Niger. Oui. Et euh, comme je te le dis, en fait, l'idée c'est quoi C'est que euh, dans beaucoup de festivals, quand tu vas, on trouve euh, du, Burkina, du Mali, du Sénégal, mais du Niger très peu souvent. Mhm. Donc euh, on a eu bien sûr beaucoup de difficultés parce que comme je te l'ai dit, Wassam c'est dans un milieu rural, c'est vraiment un petit, petit festival en milieu rural. Mais qui draine 6 000 spectateurs, c'est grand ça. Tout à fait. Ah, les gens viennent de partout. Donc, euh, comme je t'ai dit, a quand même reste un, petit village qui n'a pas beaucoup de moyens pour pouvoir faire un, très très très gros événement. Mhm. Donc, euh, le festival, les difficultés qu'on a, c'est c'est un, le, financement, mhm. parce que bon, on n'a pas énormément de subventions comme les gens peuvent penser en fait. Donc souvent, on, se bat avec les moyens de bord pour vraiment maintenir le festival, pour faire en sorte que le festival continue à exister, pour pouvoir faire venir des artistes de talent. Mhm. Parce que les artistes qui viennent, c'est vraiment pas que pour faire la promo, c'est aussi pour qu'ils puissent être découverts par d'autres festivals et être programmés. C'était le cas pour ESA, c'était le cas pour Sou, c'était le cas pour BKO Kente, c'était le cas pour, euh, pour plein de groupes qui sont venus chez nous. Et après Wassan, ils ont explosé, ils ont fait tous les, pratiquement un groupe qu'on a reçu une année. Il était à Hambourg la veille. il a fini sa tournée en Corée après au Africa. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous cherchez des solutions Est-ce que vous avez un cri de cœur à l'endroit des promoteurs, à l'endroit de tous qui peuvent aussi regarder, à l'endroit des bénévoles Parce qu'au fait, euh, il faut se dire une chose on a la possibilité. C'est un événement bénévole. Il est Alors, soutenu que par des bénévoles. C'est-à-dire que tous les. Mm, personnellement, je suis bénévole dans le festival, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Dès qu'on dit promoteur, on voit quelqu'un qui organise un événement dans lequel il gagne de l'argent. Bien sûr. Moi, dans le festival, tu étais, tu as vu, nous Moi, sommes tous bénévole, bénévoles. Nous hein. montons nous-mêmes les chapiteaux, nous montons tout nous-mêmes, en fait. Euh, L'animateur, le présentateur en question, la machine était bénévole à moult plus au festival. Donc c'est vraiment beaucoup de bénévolat. Il n'y a que les artistes qui. parce que bon, on est obligé d'embaucher les artistes. Bien sûr. Alors est-ce que vous avez un mot à l'endroit des bénévoles, à l'endroit de la jeunesse nigérienne, à l'endroit des acteurs bien évidemment culturel à l'endroit euh, des autorités en charge de la culture pour que Wassan euh, puisse euh, se pérenniser Alors, pour que Wassan puisse se pérenniser, bon, là-bas, de toute façon, nous savons que nous avons le soutien des élus locaux. Mhm. ça, c'est indéniable. Voilà, on a mhm. vraiment le soutien de, la population, on a le soutien des élus. Là, ben, il n'y a aucun souci là-dessus. On sait que Wassan Africa va pouvoir se pérenniser sans problème. Mais maintenant, à cause du Covid. Maintenant, pour ce qui concerne dit ici, au mhm. Niger, nous, comme je dis, c'est vraiment de pouvoir euh, faire en sorte que Wassan soit euh, une, mini-scène où on peut voir chaque année des artistes nigériens. Mhm. Comme je l'ai dit, nous, on n'a pas les moyens de pouvoir payer des billets d'avion aux, artistes, mais si localement, ici, on a des, des, partenaires qui peuvent nous aider à le faire, et derrière nous, de toute façon, pendant le festival, il y a des promoteurs qui viennent voir ce qui se passe. Et nous, comme je dis, il y a des très bons produits, il y a juste manque le bon vendeur. Donc nous aussi, on peut nous permettre, nous donner la possibilité de recevoir des artistes nigériens. Nous, on est preneurs. On est preneurs. Et en partant de Wassan Africa, je sais que début juillet, c'est vraiment le début des festivals en France. Donc, euh, si tout va bien, si tout va bien, on peut, on peut, on peut, en partant de Wassan, euh, lancer une tournée pour les artistes du Niger. D'abord, Aboubaka, merci pour ces propos. Moustapha Yuba était à la réalisation. Il faut noter par là que Issa Laoli était aussi avec nous en ce qui concerne ce numéro un peu spécial. Mesdames et messieurs, amis auditeurs, auditrices, nous vous demandons de rester en compagnie du programme, donc de ce studio qui met en valeur la culture nigérienne. Sur ce, à de Kalangou.